C'est auditeur, il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission L'Indigère sur Kalangou. À la présentation, je suis Mariam à mes côtés Rekia Arimi. L'édition est assurée par Hila La technique, nous avons Séni Isaka. Rekia, tu vas bien ce matin Je vais bien, Mariam. Et de ton côté Je vais bien aussi. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin nous débutons avec le flash d'information qui nous sera présenté par Nafisa Adamo. Notre invitée ce matin est Madame Akpo Clémence, présidente du Égalité au Niger, une organisation qui fait la promotion de l'accès aux services essentiels comme la santé et l'éducation. Nous parlerons éducation numérique dans la rubrique hebdo de ce jeudi. L'écho de région nous amènera à Maradi, puis après le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangou et la page sport. Tout de suite, le flash d'information présenté par euh, Nafissa Touche Serfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Ekia, bonjour Mariam. Alors, c'est quoi l'actualité de, ces matinées, de cette matinée. L'interdiction des importations transitant vers le Niger à partir du Bénin est levée. L'annonce a été faite dans un communiqué hier 27 décembre par le directeur général du port autonome de Cotonou, Bart Joseph Johan, une information relayée par plusieurs médias. Selon le directeur du port, cette mesure a été prise pour améliorer les conditions de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion. Pour rappel, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger, une des sanctions décidées par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO. Les compétitions de la 44e édition du sabre national se poursuivent à Agadez. Au cours de la cinquième journée, c'est-à-dire hier, les régions de Tawa et d'Osso ont fait deux matchs nuls avec un score de 4-4. La région Ota Agadez obtient 7 victoires contre 2 de Difa et un combat nul. Ce jeudi de la matinée, Tawa sera face à Zender et Niamey contre Difa. De l'après-midi, Agadez en découdra avec Maradi, puis Tilabiri sera face à la région de Dosso. Enfin, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel mahamman El Hajousman, a réceptionné ce mardi une importante quantité de vaccins livrés par le laboratoire de référence à Jovac. Selon le ministre, je cite, c'est la première fois qu'autant de vaccins sont livrés dans un délai réglementaire pour une campagne de vaccination. Il précise que c'est toute la quantité nécessaire pour la campagne de vaccination du cheptel pour 2024 et même pour une partie de celle prévue pour 2025. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, Nafisa. Et comme annoncé en début d'émission, nous sommes en compagnie de Madame Akpo Clémence, présidente à Sahel Égalité au Niger. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. <laughs> Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. L'accès à la santé et à l'éducation, c'est de cela que c'est que portera cet entretien. Mais avant d'entamer nos échanges, allons pour une balade en musique avec le titre Jam Jama de Jasibo Chambiano. Certains le connaissent sous le nom de Jazz Chris. Yin palan mu kobo miana kenkinara. Ajim nan mu kobo miana kenkinare. Kalare nke mu kobo miana kenkinara. Yasibri nan mu kobo miana kenkinare. Artiste, chanteur, dessinateur, peintre, designer, Diazibo Chambiano, plus connu au Niger sous l'appellation Jazz, est l'une des figures emblématiques du reggae. Ce titre que nous écoutons, Djam Djama, évoque le problème familial dans le milieu polygame. Au Niger, il est considéré comme l'un des chanteurs le plus engagé au-delà de son statut de musicien. De musicien jazz s'est aussi lancé dans la production à travers un label dénommé Liptako Production. Avec neuf albums à son actif, l'artiste amène de front une carrière ah, vieille de 28 ans et une vie de peintre grâce à sa galerie d'art plastique dénommée Tawaido. will mark po Janjama Pwani pwani yelo Janjama Tisangu lentamu pwali Tisangu lentamu pwali Janjama Tengu lentamu pwali Uyenjoku lentamu pwali Janjama Ensiga lentamu pwali Yesiga lentamu pwali Janjama il y a kwani C'était là le titre Jam Jama de Jazz Crise. À présent, on se tourne vers notre invitée du jour, Madame Akpo Clémence Bonjour. Bonjour. Faites-nous une brève présentation de votre structure. Ok, euh, je me présente encore. Je mhm. suis Madame Akpo Clémence et présidente de Sahel Égalité Niger. Euh, Sahel Égalité Niger, c'est une structure qui a été créée en avril 2022 mhm. suite à une formation organisée par WIDAF Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une vaste réseau panafricain d'organisations non gouvernementales des droits des femmes et d'individus. Mhm. Alors, cette formation a, porté, a regroupé quatre pays différents, dont le Burkina, le Tchad, le Sénégal et le Niger. Mhm. Au Niger, nous étions au nombre de 27 filles au total qui avons participé à la formation. Euh, la formation a porté sur le leadership féminin et le genre pour connaître leurs droits, développer des attitudes et agir efficacement. Mhm. Alors. Oui, continue. Et ça, l'égalité Niger a pour objectif principal de renforcer la confiance entre l'État et la population à tous les niveaux, notamment sur euh, au niveau social, économique et politique. Voilà, pour euh, réduire les inégalités et à tous les niveaux pour réduire les inégalités à travers un contrat social refondé. Ok, Madame Akpo, votre, votre slogan parle de services essentiels de qualité. De quoi il s'agit en termes clairs En termes clairs, services essentiels de qualité, c'est-à-dire dans le secteur de la santé et de l'éducation. Voilà, dans le secteur de la santé et nous voyons que euh, au Niger, il y a beaucoup de défaites, surtout en termes de santé. Nos femmes et nos filles n'ont pas accès aux meilleures et aux santé et ils n'ont pas accès à des services essentiels de qualité dans le domaine de la santé. Mhm. Et dans l'éducation aussi, nous voyons des chiffres qui sont vraiment à revoir. Donc c'est de cela il s'agit. D'accord. Alors, comment appréciez-vous ces indicateurs Alors, selon moi, je pense que ce sont des indicateurs qui, qui, sont vraiment faibles qui sont faibles, dont les autorités, nous appelons les autorités, les autorités à vraiment revoir ces indicateurs. Comment les il y a des chiffres, Madame Oui, nous avons des chiffres. Par exemple, dans, au Niger, nous avons au moins 81% des, écoles mhm. ne, disposent pas des, sanitaires. Nous avons au moins 90% des écoles qui ne sont pas électrifiées. Donc ça, ce sont vraiment des situations à revoir. Comment les améliorer et que fait votre structure pour promouvoir l'accès à ces services essentiels, comme vous le dites alors pour les améliorer, nous, lançons actuellement une campagne de plaidoyer et dans le domaine de la santé et de l'éducation. Donc euh, nous, lançons euh, un, plaidoyer auprès des autorités et les partenaires techniques et financiers afin qu'ils agissent et qu'ils voient l'urgence d'investir vraiment dans ces secteurs sociaux. Et quel impact pour ça Et Vous avez constaté des impacts par rapport à ce que vous avez chiffré tout à l'heure ouais, Actuellement, nous faisons euh, la campagne, c'est, elle est digitale. Mhm. Donc, euh, nous envoyons des messages sur les réseaux sociaux en espérant vraiment que nous allons nous faire entendre par les autorités. ok. Et comment appréciez-vous ces indicateurs je pense que ce sont des chiffres vraiment à revoir. Oui, ce sont des chiffres vraiment à revoir et par rapport aux engagements pris par l'État. Avant de poursuivre avec la seconde partie de nos échanges, faisons un autre tour en musique avec les titres Yakosa de Elsa en featuring avec NT4 show level, we dey Faut pas rester bloqué, Faut bouger, Faut pas rester bloqué, Faut bouger, Faut pas rester bloqué, Faut bouger, cikin sa da waye elsa. sawe sai ta ce mun gaye ka iya na kasa a mun sabon kaciya ta ta dala ta ce i love you too ya kuna tara ku ba ku da view a youtube to a da su omo mai idon mazuru kishi zai sa hawa jini ya kashe su ya fi a bani fara mai gashi agogo gilashi sabon farashi in ka ce ka bi mu za ka ci bashi malam wai kana jin hausa ta kishi wasu elsa wasu mu ya kosa ya kosa jiya ba yau ba jiya ba yau ba bi da shola bi da shola bi da Elsa est un jeune artiste, chanteur, rappeur nigérien à travers la maîtrise parfaite de son art. Il fait parler de lui dans les quatre coins du Niger et euh, compte parmi les artistes les plus célèbres de la musique nigérienne. ko bushe ba da ban tsoro matan yamai mai ba su sa wando su maka wankan jana'ida da soso wayo sai da jin kaho ibada na da elsa za mu sa mata su yi rawan salsa mun cika bwake noma na gangsta kupe tube karbi kin yari yariya barni da ta ji dadi wa kudin baban tankarbi ta mai da ni jaki wai tudu dan ahu da ita ta dangara wance zamin kikishin fira ko zo mu ya kosa ya kosa jiya ba yau ba shola biyu da shola biyu da da mun zo nan matan da usi tuwa dozo mu ya kosa ai ya kosa jiya ba yau jiya ba yau we da shola biyu we shola biyu da da mun zo nan matan da faut pas rester bloqué bloqué faut bouger faut pas rester bloqué bloqué faut bouger faut pas rester bloqué bloqué faut bouger ah. c'était là le titre Yakosa de Elsa en featuring euh, avec NT4. Retour au studio avec notre invitée du jour, Madame Akpo Clémence. Je rappelle qu'elle est la présidente du Sahel Égalité au Niger. Alors, Madame Akpo, quelles sont vos zones d'intervention euh, Alors, actuellement, nous, nous intervenons à Niamey. Mhm. Voilà. Nous avons commencé euh, nos activités par des sensibilisations dans les écoles sur les thèmes euh, violence en milieu scolaire. Donc, nous poursuivons actuellement avec euh, la campagne de plaidoyer et de sensibilisation, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. Hmm, comment, comment travaillez-vous avec d'autres structures Alors, nous les invitons. Par exemple, euh, dans le cadre de cette campagne que nous sommes en train de mener, mhm. nous invitons les autres structures de jeunes qui euh, ont les mêmes objectifs que nous, mhm. à une table ronde. Et euh, ensemble, on échange et euh, on prend des engagements à lutter ensemble pour la même cause. Est-ce que vos activités sont essentiellement axées seulement à la femme Si oui, pourquoi Je peux dire oui, parce que là, il est question du genre. Et nous nous sommes engagés, c'est pour participer à la réduction des inégalités au Niger. Et qui dit l'inégalité vous savez, c'est le genre. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, il y a plus, euh, les femmes sont, et les hommes sont, quand on voit, les hommes sont plus euh, privilégiés que les femmes dans plusieurs domaines, dont vous savez déjà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Par exemple Par exemple, dans, dans, le secteur de l'éducation, comme je l'ai dit, mm-hmm. nous voyons que les filles consacrent plus de temps à la collecte des eaux euh, tandis que les, les, garçons sont privilégiés à rester en classe. Donc, voilà. Alors, que faites-vous pour améliorer ces indicateurs euh, Comme je vous l'ai dit, c'est à travers nos campagnes de sensibilisation que nous sommes en train de mener actuellement. Et nous sommes en train de, de parler et genre de sensibiliser le grand public à, à connaître leurs droits d'accès aux services essentiels de qualité et afin qu'ils puissent se prendre en main et faire respecter les engagements pris par l'État. Ok, selon vous, est-ce qu'on peut dire que le droit d'accès aux services essentiels de ces dernières sont respectés au Sahel euh, Je peux dire que non, ils ne sont pas totalement respectés. En fait, pas tous les... Nous savons que les autorités travaillent, mais néanmoins, quand on voit les chiffres, il reste beaucoup à faire. Mhm. Donc c'est cela. Si on va au moins 2,9 millions de jeunes filles et 2,7 millions d'adolescents ne sont pas scolarisés dans le secteur de la santé. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans vos activités, surtout comme vous travaillez ici à Niamey avec d'autres structures euh, Oui, les difficultés, ça ne manque pas. <laughs> Mais si nous sommes à notre tout début, je pense que pour le moment, on peut dire que ça va. Ok, merci infiniment Madame Akpo Clémence d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Aujourd'hui, l'éducation numérique sera consacrée à une compétition singulière qui est le championnat du monde d'Excel, une compétition qui ne manque pas de surprendre et qui se déroule dans un cadre pour le moins inattendu. Et ça sera avec Ousmane Mahmoudou, le responsable du desk numérique du studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Alors à tout d'abord, pourquoi organiser un championnat du monde d'Excel Cela semble plutôt inhabituel. Alors oui, Mariam, effectivement, il s'avère que le Microsoft Excel World Championship ou MEWC, c'est comme ça que ça s'appelle, et bien plus qu'une simple compétition de tableur. Et, euh, d'ailleurs, il a est à sa quatrième édition. Celle de 2023 s'est déroulée à Las Vegas, au Luxor, qui est un grand hôtel, euh, dans la prestigieuse HyperX Arena, habituellement dédiée à l'e-sport. Donc l'e-sport, on va y revenir euh, un peu plus loin dans la chronique. Et c'était ce 10 décembre. Donc ce championnat du monde qui est un peu bizarre, on ne va pas se mentir, vise à mettre en lumière les compétences exceptionnelles des professionnels expérimentés qui exploitent les aspects ludiques de leurs outils de travail quotidien qui excellent. Alors Ousmane, comment se déroule concrètement cette compétition Est-ce qu'il est y a eh, une distinction des tournois des jeux vidéo traditionnels Alors, euh, le MEWC ressemble étonnamment à un tournoi de classique avec des épreuves en ligne, des commentaires en direct. Il y a même des commentateurs en direct euh, qui commentent les matchs. Et à la clé, il y a une enveloppe de 15 000 dollars à gagner. Donc les participants, contrairement aux jeunes prodiges des jeux vidéo, euh, sont très professionnels, expérimentés et ils utilisent Excel dans leur quotidien professionnel. Ils participent, ils participent pour le plaisir et pour améliorer leurs compétences. C'est impressionnant de voir comment un outil professionnel peut devenir le protagoniste d'une compétition et qui nous dit le classement actuel du championnat alors actuellement, c'est un monsieur qui s'appelle Laurence Lowe, donc, qui est un financier de Boston qui trône au sommet du classement de 2023. Et qu'en est-il de l'aspect divertissant de cette euh, compétition Est-ce vraiment intéressant de regarder des personnes remplir des tableaux Excel euh, <laughs> bon, c'est pas assez reluisant, c'est vrai, mais c'est là que en fait la compétition devient particulièrement intéressante. Donc les organisateurs ont pris euh, des inspirations directes de l'e-sport pour rendre le MEWC captivant. Il faut résoudre des problèmes euh, qui sont très complexes dans un délai très très court. Il y a aussi des commentateurs comme Os du Soleil. Ils ont mis en ligne euh, toute la compétition sur YouTube. Vous pouvez vraiment aller voir, c'est assez intéressant. Donc en fait, on utilise Excel tous les jours, mais on ne se rend pas compte du niveau de complexité de l'outil. Par exemple, le logiciel, c'est Excel aujourd'hui qui maintient en flot le système bancaire mondial et plein d'autres secteurs professionnels. Excel, c'est plus de 480 fonctions, mais aussi le VBA. Donc, pour ceux qui utilisent un peu, le VPA, c'est le Visual Basic for Application. Euh, for application dans Excel. Donc, un langage de programmation qui sert à faire beaucoup de choses dans Excel, au-delà des 400 fonctions qu'on a vues. Et donc, et donc, dans ces championnats, il y a par exemple des participants qui ont réussi à fabriquer des jeux vidéo directement dans Excel. C'est une approche innovante, ce sûr. Et comment le grand public a-t-il réagi à cette compétition eh, eh bien, donc la compétition a réussi à toucher un large public grâce à sa diffusion à la télévision euh, américaine sur ESPN, euh, e une chaîne euh, aux États-Unis, très grande chaîne qui ne diffuse que du sport de haut niveau et donc qui a diffusé euh, cette compétition. Et depuis 2022, le MEWC est rediffusé sur cette chaîne d'e-sport, vraiment de sport qui est dédié à ça. Et cela a contribué à contribuer à croître encore un peu plus sa popularité. Même ceux qui ne travaillent pas avec celle semblent trouver cela, euh, donc cette compétition intéressante. Les organisateurs prévoient déjà euh, de surprendre euh, le public dans, un futur, dans, dans les futurs euh, championnats. Alors Ousmane, comment Microsoft réagit-il à cette compétition alors évidemment, pour Microsoft, c'est du, du, pain béni. Microsoft, aujourd'hui, il voit le MEWC comme une excellente opportunité de promouvoir les nouvelles versions du logiciel, de son, donc d'Excel. En effet, donc, les matchs servent de vitrine pour les fonctionnalités innovantes d'Excel, inspirant d'autres euh, développeurs et propriétaires de logiciels. Donc c'est un grand coup publicitaire pour euh, Microsoft sur ce coup-là, en tout cas pour son logiciel. Merci Ousmane pour toutes ces informations fascinantes sur le championnat du monde d'Excel. C'est vraiment un monde à part. Oui, tout à fait. Donc l'Excel Champion, World Championship nous montre que même un outil de travail peut devenir le protagoniste d'un spectacle compétitif captivant. Et si vous souhaitez participer à l'édition 2024, les inscriptions sont ouvertes sur le site euh, officiel euh, de la MEWC et vous pouvez vous inscrire au www.fmworldcup.com. Ça tombe bien, une partie de notre staff est actuellement en formation sur Excel avancé. J'espère qu'ils auront envie de participer à la rencontre de l'année prochaine. <laughs> Merci Oussou. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Faisons à présent notre tour en musique avec les titres de Beau de Big Abdel. Yeah. zai kashe ni zai so zai kashe ni zai kashe ni ha ha mula baby na zo ni ku na zo kasa ku na gani na zo na zaba hey ni zaba titi hey sulbajo wara pulo me do hidi masanai me do hidi ma me do hidi masanai ka bai da nisa sai in je ga kafa kuma ba matsala inda zani sha ruwan zuma hey sai in ji ni sama da ni da ke aminiyata sai ku kan zakara na ganci na sauki na ganci na bici da ci da sha aici ko cikin barci ina ji sunan ki sai in yi igita tit j'y amène da ni shi amince ni halin soyayya ya sani zama fatit gani na sake lamule lamule mule la ha ha mule la baby na zo ni ku na zo kasar ku na gani na na za Chanteur et compositeur Amadou Gado Abdoulaye, connu sous le nom d'artiste Big Abdel, a débuté sa carrière artistique en 2015. Son domaine de prédilection, le reggae et afropop. Aujourd'hui, ces chansons font partie de celles chansons les plus écoutées au Niger. De chaque instant de vie, baby, tu es à moi, je te l'avoue, c'est toi ma joie. Baby, tu es à moi, je peux tuer à cause de toi. Laissez les hommes du fait leur job, non, non, ne les écoute pas. Choisis ce que ta cœur t'a donné, Nico Gama. Baby, baby girl, Nico Gama. listen, listen. Ah, okay, amulela, mula, mulela, ha ha, mulela, baby, nazo Niger garinku, nazo kasaku, nagadi nazo nazaba, hey, jeni zaba, titi, hey, sulbajo, warapulo, medo hidi masane, do hidi ma, me medo hidi masane, me do hidi masane. don't hit the man. Ah, me don't hit him, my son. Anuka mame aibina ni saina donote. Anuka time aibaka ni saina donote. I need no I ah, to Aibina ni kampara mahakoida laiti. Masizamba tutayara. Aina ikamba ijere. Aikangwa ah, reini matai one day. Wakulo saikine. Tinga like a laikaze. ita kuma mun ya mata amana sai ma yi eh. Tambata kama mun ya mata amana sai ma yi eh. mm, eh. Amana sai ma Work mix C'était là le titres de Beau de Big Abdel. Chers auditeurs, si vous venez de nous capter, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co-animée par moi-même Mariamade et Rekia Arimi. Vous avez aussi la possibilité de réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiokalangu.org. À présent, place à l'écho des régions, direction Maradi. Aujourd'hui, prend fin le championnat national de Scrabble qui se tient là-bas depuis le lundi. Il est à sa cinquième édition cette année et spécialement il est délocalisé en région. Pour ceux qui me connaissent encore, cG il s'agit d'un jeu de société de lettres avec pour objectif d'accumuler des points en créant des mots sur une grille carrée. Comment se déroule la rencontre Réponse dans ce reportage de Mohamed Maman. Ça, ça dit pas. Il a joué à mon Voilà, il a joué à mon <laughs> C'est dans une ambiance de fête occasionnée par la joie des retrouvailles que se tient ce tournoi regroupant tous les grands athlètes du Niger. Pour le président régional du Scrap de Maradi, Jafar Ibrahim, c'est pour la première fois que ce championnat est délocalisé à l'intérieur du pays après Niamey. Heureusement, nous ici, nous avons déjà une expérience puisque l'année dernière, en mars, plus précisément, nous avons organisé un championnat régional. Et Fort de cette expérience, nous n'avons pas hésité à accepter qu'on vienne jouer à Maradi. Et présent à ce grand rendez-vous, le tenant du titre de la dernière édition, mais également le tenant du titre africain, Abdrahman Moussa, couramment appelé Quintano de Niamey. Seulement, après 48 heures de jeu, il témoigne n'est plus être sûr de conserver son titre. C'est vrai que je suis là pour défendre mes titres, mais disons que cette année, je ne joue pas bien, aussi bien que l'année passée. Parce que sincèrement, j'ai fait des coups qui ne m'ont pas plu du tout. C'est vrai qu'il y a déjà euh, une première épreuve qui est terminée, le Blitz. Euh, je dois être devant. Je pense que je conserve mon titre dans ce domaine. Mais euh, dans l'ensemble, je ne suis absolument pas satisfait de mes prestations. Sinon, mon titre est sérieusement menacé. Cette année, les challengers sont venus avec des intentions vraiment très, très victorieuses. Parmi ceux qui veulent le détrôner, Falsante Magaji de Maladie, en effet, ce dernier a eu la chance de le battre le premier jour. Il explique. La joie est immense pour avoir battu le champion d'Afrique en titre, M. Hamani. Je pense que pour le moment, je suis sur la bonne voie et je compte en tout cas remporter ce trophée en jeu classique. Il y a aussi des novices dans cette compétition. C'est le cas d'Amadou Roufa Hiro de la délégation de Maradi. Il est plus que jamais déterminé à aller un peu plus loin dans ce tournoi, surtout après avoir battu le vice-champion en titre. Je me suis donné à fond pour ce genre de jeu et je continue à persévérer. Nous apprenons auprès de nos aînés. Mon premier objectif, c'est de me voir parmi les géants combattants du championnat. Vraiment, je suis très, très, très, très, très assouvi pour m'avoir fait devant un titan le vice-champion en classique, je l'ai rencontré et il a perdu devant moi et je suis très fier. Et il était surpris. Et je me suis dit que peut-être il m'a sous-estimé, mais cependant le jeu, c'est pas ça. Le Scrabble est composé de plusieurs disciplines, dont le classique qui met deux joueurs en face. Un des arbitres fédéraux du championnat, Hamisou Hamidou, nous parle de cette discipline. Le classique, c'est-à-dire la forme traditionnelle que les gens connaissent, mais que nous jouons à deux, elle nous allons faire jusqu'à 17 rounds. Hier, nous avons fait trois. Aujourd'hui, on va continuer. D'ici jeudi, on va faire les 17 rounds. Maintenant, à la fin de ces 17 rounds-là, nous allons prendre les quatre premiers. Et c'est ce qui forme le carré d'as. Le premier va rencontrer le quatrième. Le troisième va rencontrer le deuxième. Ils vont faire les demi-finales. À l'issue de ces demi-finales, nous aurons ceux qui vont passer pour la finale et les deux autres qui sont vaincus vont faire le match de classement. Il faut noter que cette cinquième édition regroupe plus de 85 personnes venues de toutes les régions du Niger. Une discipline à encourager surtout chez la jeune génération pour renforcer ses capacités linguistiques. C'était le reportage à région avec Mohamed Maman. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé du 32 minutes à Agadez. Vous êtes à l'écoute de notre émission Le Niger sur Kalango sur la radio Nomade. C'est l'heure du sport et c'est avec notre équipe de chroniqueurs sportifs. D'ailleurs, Soumana Amadou et avec nous. Bonjour, Soumana. Bonjour à toutes. Alors, quelle est l'actualité sportive pour cette matinée L'actualité, c'est toujours la lutte traditionnelle qui se poursuit à Agadez. Nous sommes en direct euh, avec notre euh, envoyé spécial Adam Sariou et pour euh, les détails de la journée d'hier. Bonjour Adam. Bonjour Soumana, bonjour à tous. Bonjour Adam. Eh bien, hier, c'était la cinquième journée de combat de la 44e édition du Sabre national. Et que peut-on retenir de cette journée Alors, à l'issue de la cinquième journée, on peut noter que c'était sans conséquence pour toutes les régions ayant des lutteurs invaincus. Cependant, on assiste à des combats avec moins d'engagement comparativement aux journées précédentes. Eh bien, donc, à la fin de la journée du mercredi, combien de lutteurs restent encore invaincus, Adam Alors, jusqu'à présent, il reste, il, reste plus, il reste 14 lutteurs en liste pour le sable national. Tawa a trois lutteurs invaincus, la région de Dosso, Tilaberi, Maradi, Zender et Niamey ont deux lutteurs invaincus chacun. Pour la région de Difa, un pour la région de Difa et Agadez, la région haute et hors course. Hors course euh, pour le sabre national pour cette année. Alors, euh, quel est le programme euh, d'aujourd'hui, Adam Alors, ce matin, le premier combat qui a opposé la région de Sawa contre la région de Zender c'est le sport de 4 victoires en 5 et un nul en faveur de la région de Sawa mais notons quand même que les deux lutteurs invaincus de la région de Zender et les trois lutteurs invaincus de la région de Sawa restent en course pour la conquête du sabre. Oui, et la suite Allô Adam Vous, m'entendez Oui, on, vous reçoit 5 sur 5 Adam. Alors, nous avons aussi assisté à des combats avec moins d'engagement, ce qui a d'ailleurs poussé le président de la lutte à attirer l'attention des lutteurs et à rappeler que tout lutteur qui se laisse tomber facilement sera sanctionné par le jury pour combat truqué. Eh bien, merci Adam depuis Agadez et bon séjour. Merci beaucoup Adam. Restons encore à la reine Aboubakar Jebo, cette fois-ci pour une analyse euh, sur des combats qui seraient truqués. Eh bien, en effet, nous allons donc évoquer la question des combats truqués. On se demande pourquoi. Pour en savoir plus, le spécialiste de la lutte traditionnelle Issoufou Kodo, nous explique euh, ce qui pourrait pousser certains lutteurs à céder. Il est au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadri. Il y avait la situation d'un lutteur invaincu contre un lutteur vaincu. C'est une situation que nous vivons. Certains décrivent cette situation, d'autres non. N'oublions pas, hein, on a dit tradition. C'est la lutte traditionnelle. Si elle porte ce label de traditionnel, ce qu'il faut respecter, donc ce qui est traditionnel. Or, de facto, quel que soit, c'est un sport de combat. Faut pas l'assimiler à d'autres sports de combat occidentaux. Oui, l'aspect fraternel y est là. Hein? Et c'est pas avec n'importe qui tu peux lutter dans notre société. À partir du mois d'un certain âge, un adulte et un jeune homme, ils ne peuvent en aucun cas se rencontrer. Même s'ils se rencontrent, obligatoirement, le moins âgé va lui céder. Alors ici, qu'est-ce qu'on a trouvé Ce sont pratiquement des amis des amis, des frères, ils ont fraternisé à travers la lutte. Moi, j'ai perdu. Hein. Je ne peux pas, en tout cas, empêcher à quelqu'un de progresser, d'évoluer. Il y a cet esprit qui écarte complètement l'égocentrisme et le bon sens. Je vais vous donner un exemple bien précis qui fait partie de l'historique même de Naba de Kaï. C'était Langalanga qui était devenu le beau-frère d'un lutteur de Maradi. Et les circonstances ont fait que Langalanga de Zander rencontre ce lutteur qui n'est autre que son beau-frère. Alors ils sont venus, ils allaient lutter. Automatiquement, Langalanga a déclaré son beau-frère lutter. Ils ne peuvent pas lutter. Alors là, quelle que soit la mise, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas lutter contre ton beau-frère notre société. Donc il y a tous ces aspects-là. S'ils veulent écarter cet aspect du, combat truqué, ils n'ont qu'à reviser le code, éviter cela. Mais tant qu'il y aura ça, cet aspect, ce code-là va être adopté, eh bien, on va trouver aujourd'hui, demain, le combat truqué, sanctionné. Ça, ce n'est pas la solution. Il y a plusieurs mécanismes. Et cet état de fait, a fait que quelques invaincus se sont rencontrés et on a assisté au bon combat. Eh bien, donc, euh, c'est tout pour euh, le sport d'aujourd'hui. Donc, euh, je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à dire, pour un autre numéro. Merci, Merci Soumana. Merci à tous. Suivons à présent le portrait du jour et nous partons à Gadez. Un coucou à nos auditeurs de la radio Sahara, alors a qui est sous la lumière aujourd'hui. Ils sont visibles partout dans l'arène de lutte, dans leur accourtirement, ils sont là pour donner le sourire aux spectateurs avec des imitations, des combats et des gestes mimiques. Devine de qui je parle. Sans me tromper, je dirais les Charlie Charlie, ce sont des pitres, un jara dans misère. Salamout Kadri, notre envoyé spécial, a rencontré l'un d'eux. Je vous propose d'écouter. Taranlo Jamil Jilka, âgé de 25 ans, et natif de birnin Il a sa en participation avec le lutteur de la région de Tawa. L'explication son attachement à ce métier de chali-chali malgré les préjugés. abin da ya sa na shiga harkar cale-cale yawanci ina ganin da yawa jahohi da manya magabata in ana kokowa ran suna ɓaciya a kokowar da ka ɓata musu da rai to sai na ga abin nan ya kamata a ce nima muna ɗaya daga cikin harkokin cali tunda mu matasa ne yanzu tsohon cali cali sun tsuwa ba su iya gwadon rufula inda za mu iya gwadi tunda abin ne ake yi bisa da an kai kayi haka ake so a gwade shi amma sai mun ka sa rayuwar mu sa kan mu cali-cali don mu ga tansan shi rage ga jama'a muna da yawa cali-cali amma mu ekip mu akwai zilai akwai isa da ni dan allo saboda mun haɗa kan mu don saboda a tabbatar da kokowa ba wada ba ne saboda ita kokowa ba kamar siyasa ba ce a ce yan kallo can su ne ka waɗa amma yan kokowa kowa gane su ya san kasu haɗe yake mu ma calika mun haɗa kan mu nan ekip mu da haka muke abu wanda kowa zai ji daɗi kuma da masu saurari sunan ekip mu 'yan tawaye uku akwai na zandar biyu akwai ni na tawa guda. Da allo Jamiyar Jilka travaille en équipe avec deux autres Chali Chali, une équipe qu'ils ont baptisée les trois jumeaux. En Hausa, ils se retrouvent dans cette activité. Ils veulent se pérenniser, murmure Issa Bitik, membre de cette équipe, tout en montrant sa joie de travailler avec Dan Allo. Abun ne ya burge ni dan saboda naga hada kai ne na al'umma, hada kai ne na kasa, dan saboda shi wannan ya kasance ne ma sada zumunci ne na Nijar gaba daya. aikin ɗan allo dan yana da kyau shi ne ya sa muke tare da shi dare da rana ya kasance ma musamman wani lokacin idan ba mu gan shi ba he mu ji kamar ba mu zo wajen wasan ba saboda ya kasance jini ɗaya muka zamto yanzu kawai de son côté Zulai Deni alias Zulai Deni babban kwari qui est plus ancien dans ce métier avec plus de 13 ans de chale chale se rappelle de sa première rencontre avec Dan Allo gaskiya ni na riga su Isa Zawa na riga su Dan Allo Zawa ni bana shekara na goma sha uku ina zawa wurin kokowa ta koyi eh wannan aiki na Dan Allo da yake yi gaskiya ya kyauta dan saboda shi kakin san waka bai he da ilimi shi kuma wannan almajiri ne dama yana yin karatu na allo to allah ya sa zai koma wannan kidan jarka shine yana kidan jarka da ya zo shekarar da ya tara mu tawa ba mu san shi ba bai san mu ba ya zo da jarkar shi daya yana kidawa yana kidawa shi daya he muka ji yana so a rinka mishi amshe he muka zo he na ce gani ina so in rika maka amshe ya ce ban matsala to sai ga isa shi ma ya shiga cikin mu shine abun tsarin mu he zo daidai duk wani tsali-tsali da ya zo nan in ya biyo mu ma bai iya yanda muke yi kuma rawan nan da ake yi akwai wani mai gida na allah mishi cikawa ana ci mishi gundugwila na maradi shi ne ya koya mun wannan rawai da muna yi wannan cikin rawar da muna yi 'yan kallo ne magabata ne 'yan kokowa ne zuciyar shi tana yin farin rai. Margaret La Precarité le métier de Charlie Charlie a de beaux jours devant lui. Pourvu que la lutte traditionnelle continue de perpétuer sa tradition à travers ses multiples facettes.

ba gashi ba sarki ba gani ba mun ci gaba na burga burga na ce kai to ba gashi ba nera ba gata ba mota ba gata ba bebe mai kyau ba gaso ba kasan da sarki ba kara ba balle ne kare baiwa ba ruwa ba balle ta zobe mugu nike habshi sai su kare tsoro na ake da na so a laɓe wata ce ta kada kanta ta kasa jan ajinta da dai ana tashinta yanzu ana gudunta babban bakin dabonta hakkin tsohon mijinta to yanzu ba ta ji hallera biyar take bi to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba duk inda ɗan maciji ya tsaya da matsala dole uwarsa na gurin kar ka tsaya ta nan buɗe idan ka kalli nawa ban sakaci da addu'a ba lallai kwanciyar biri lambo ce kwance ta suke karya ce sun seta ni sun bugo na goce su ba su san da garin ba munan ba fushi muke ba wasa ne fa ba fada ba eh eh kar yaro ya zagi babba mu san rashin sani ba mai bakin ciki daga gaba kai bakin cikin masu hasada. su ne masu karya doka ruwa ake a'a ba ruwa ake ba hazo ake a'a ba hazo ake ba shinko wada ake a'a ba wada bane ba domin nake ji ai sautin da kan kidan ne to ba gashi ba to ba ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba Kashiba, c'était Barakina en futuringa avec Adro Gwanja. qui a fait voir un peu tes ongles. Mais pourquoi, Mariam Parce que le loti s'intéresse à comment prendre soin de ses ongles. Oui, parce que les ongles fragiles et cassants sont souvent la résultante d'une certaine carence en nutriments et vitamines. Alors, je vous propose de suivre cette conversation entre Rafika Taher et moi-même. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. ji wannan harcen nawa kuma shi ma ya kare ke ji yanda aka yi fan naki suka yi kyau kin gani ko diba yanda nawa suka lalace duk sun kakkare yaya ne kike naki ba su kare ba kuma ga su da kyau rasu da su shakurumin ki kawale ai zancen aka yi ta lalace ta tsire ta kare ta ɓaci bata da wata huska mai kyau ya ƙare biyo ni ki sha labari haba ƙwarai guwa kawale saurara ki ji ba wani abu ne mai wuya fa lemun tsami ne kawai zaki samu ki yanka shi ki ɗauki rabin ki haɗa da ɗan man zaitun kaɗan mhm. ki rinka murje horatunan naki tsawon sati biyu za su kwari sosai kuma su yi hori tas to in ina son akai fana su yi haske yaya ne zan yi abu mai sauki ai in kina son akai hon naki sorbu da dukkan wani datti sai ki wanke su da bicarbonate da ɗan ruwan ɗumi kaɗan sau biyu a cikin sati sai ki ga fes. Yanzu in nayi wannan shi kenan na rabu da daudar akai fa. Sosai ma kuwa, ai da in kika yi wannan duka kuma horatunan naki ba su da haske ba. To watakila akwai wata matsala wadda ta danganta da ci maka. Tunda kamar ho yadda kika sani kawali idan baki manta ba. Kin san rashin cin isasshen abinci yana kawo cikas. ga lahiyar hwata ko gashin kai to haka zalika yake da illa ga horatuna. To menene kuma rashin isassar ce maka kawali ke dai ko da akwai wani abu ne da kike boye mini ko akwai wani abu ne da ya kasa a cikin jikin naki kuma kike rihe mini to domin sa mahuta kan wannan matsalar ya kamata ki shi asibiti a duba lahiyarki domin rashin garkon horatuna yana da nasaba da rashin sinadarin fer kenan ya kamata ki rinka cin abinci mai gina jiki kawale habake kuma kamar su yin wannan su kayan garake su madara su ciku da sauransu ki rika dan gamawa da su kaɗan a cikin abincinki za ki ga faratunan naki ke sai kin bani labari yauwa na gane kawali yanzu ko zan fara na gode haba gora <laughs> Voilà, c'était Hawa Ousmane et Rafika Attaher qui nous éclairent sur, les, sur comment prendre soin de ses ongles. Merci les filles pour vos conseils, astuces qui sont vraiment toujours très utiles. L'émission Le... Niger sur Kalangou s'est poursuivie avec euh, la culture linguistique. Abdullah Moumouni Niali du desk Folfolde est avec nous. Qu'est-ce que tu nous proposes, Niali Oui, je viens avec euh, pour la culture linguistique d'aujourd'hui le mot panafricanisme. Merci Yannick. Le mot panafricanisme peut être défini comme un mouvement et une idéologie politique qui font la promotion de l'indépendance totale du continent africain. Il encourage la solidarité entre les Africains et les personnes d'origine africaine, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde, en faisant abstraction de leur ethnie, leur religion ou leur appartenance politique ou leur apparence physique. Au Niger, par exemple, on peut citer certaines personnes qui sont connues pour leur panafricanisme. Vous les connaissez certainement au vu de l'actualité ces dernières semaines. En Fulfulde, panafricanisme no duro pinal politique et sembinɗinde finatawa leyɗe afrique ko wat l'aide afrique e jippotoɓe e mumen laato inna gooto baaba enɗam soɗo caka maɓɓe ɓe cembiɗa duro majjum ndu hannden pelle de himɓe tawra Nyali Mignetti pantino Gol. <laughs> <laughs> merci, merci beaucoup. Merci Rekia et bonne continuation. merci. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages vocaux sur nos productions. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. studio radio sahara ma muke samun shirye-shiryen radio kalangu abin za mu ce dai Allah ya taimaka musu shirye-shiryen su ba mu ga laihin komai ba je les trouve meilleur et plus plus euh, très informative surtout les informations sportives qui m'intéressent beaucoup wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu tun daga nan a gades harkokin suna burge mu suna tsare-tsare abubuwa da dama wanda muna jin daɗin su gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai-kwarai abin da muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal san studio kalangu duk information da muka saurara a tace yake emission wanda ta burge ni sosai naga ana an france ko amma mutan ai traduire a hausa assalamu alaikum ni dai suna na shafa'i a gaskiya muna saurara studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryen sa gaskiya yana birge mu yana da kyau muna jin su wannan daɗi ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum sunana ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su kara hazaƙa kuma su ɗan kara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare. sunana mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki kayan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare presque ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙarasa mana hannu cikin shi. Ina jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na shi daɗi. Ina gaida Hasiya a Dubai, ina gaida Maryama a Dubai. A gaskiya muna sauraron Kalangu sosai sosai lokacin da na karatu ma a mai kullum da abokanai na muna saurari da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba. Surtu na Faransiya wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki ɗaya. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voilà Mariam, faisons encore euh, notre dernier tour euh, musical avec Kirari de l'orchestre Akazama. Maria. bari koren yara babban gida ina sama na oban mamu. Shakira da koren yara babban gida. Voilà, ici prend fin notre émission de ce jeudi 28 décembre 2023. Vous étiez en compagnie de moi-même Rakia Arimi et Mariam Adé. On s'est dit à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique, rédactionnelle et de radio partenaires qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Rendez-vous samedi et dimanche pour l'émission Jeune. Quant à moi, retrouvez-moi sur l'actu de Jeunes en Hausa. Et moi, ça sera en français Tamachek. Mais avant, restez câblés avec le programme du studio Kalango.